Aujourd'hui dans votre émission Tous à la fada, nous allons évoquer le sujet de la jalousie dans le couple et surtout savoir comment gérer ses sentiments. Sur la page Facebook de Niger Scoop, on peut lire il y a quelques jours qu'une femme meurt dans un accident de circulation en poursuivant son mari et sa maîtresse et c'est au Nigeria. Un peu plus bas, on peut lire que la dame a vu son mari dans un magasin avec une autre femme dans sa voiture après avoir fait des courses pour la femme. Pour attraper son mari en flagrant délit avec la jeune femme, la femme s'est engagée à conduire à une vitesse maximale, un cas récent de jalousie. Et finalement, elle a fait un accident et elle a perdu la vie. samun hanyoyin warkar da irin shi wannan mugun kishin wanda ya kai wannan matar ga halaka. Et amis jeunes donc euh, c'est parti pour 35 minutes d'échange de musique, de chronique et de Masu sauraron mu yau mun baje kolin fadar tamu ne a nan filin studio kalangu inda muka ɗauko muku zancen la jalousie da le couple wato kishi kenan Yau muna a je vous laisser la parole. Chacun va se présenter. bonjour, et moi c'est Mahmoud Fredo. Bonjour Fredo et bienvenue dans Tous à la Fada. Merci, bonjour à vous aussi. Euh, moi c'est Reina Hamoudou euh, je suis de profession euh, ingénieur technico-commercial. Bonjour Reina et bienvenue dans la Fada. On va commencer avec les questions. Reina, je vais commencer avec toi. Quelle définition toi tu peux donner à la jalousie Bon, en fait, je définirais la jalousie en fait, comme, euh, comme une peur, en fait, de voir son partenaire partir, en fait. Voilà. Euh, je me dis forcément que quand quelqu'un est jaloux, ça veut dire qu'il tient vraiment à son partenaire. Hmm. La jalousie, la jalousie c'est rien d'autre que la peur euh, de se sentir abandonné par son partenaire. Ou bien que son partenaire ne fasse plus attention à... D'accord. Nazifa, Reina vient de définir la jalousie comme une sorte de peur. Donc, comme elle l'a dit, c'est une peur de voir son partenaire partir. Je dirais aussi que c'est une preuve d'amour. Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, en aucun cas, tu ne peux être jaloux où tu ne peux être jalouse de ses faits ou bien de le voir avec quelqu'un. Je me dis que là, c'est vraiment une preuve d'amour. Donc, quelque chose que tu aimes, tu le préfères juste pour toi et tu n'as pas envie de le partager avec quelqu'un. C'est la définition que moi je donne vraiment. <laughs> Donc en fait, c'est une preuve d'amour pour toi. Oui, personnellement, je trouve que c'est une preuve d'amour. mais peut-être c'est une preuve d'amour. Alors toi, Tu tu une ka wa kishi? il t'a jalousie Comment yadda ce wadi ne ba wani doga abu ne zan babu wanda yake so ya gani wadda yake so ko wadda take san shi tare da wani ko da wata kwa abun babu dadi kamar in an shaku da juna kuma a zuwa gani abun yana nan ga yin yana nan ga juyawa donc c'est pas trop intéressant d'accord Reina et toi quels sont les types de jalousie que tu as déjà vu vécu euh, pour la jalousie dans, dans, le couple, je dirais que euh, elle peut se manifester sous différents aspects. Hein. Parfois, parfois ça peut être des petits trucs banals comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a Je t'appelle depuis, on me dit que tu es en communication, tu es en communication avec qui Je te vois en ligne, pourquoi tu ne réponds pas Voilà, des trucs comme ça. Euh, il y en a aussi qui vont un peu jusqu'à, un peu dans l'excès. Ils te suivent ou bien ils envoient leurs amis te suivre pour voir ce que tu fais. <laughs> parfois, ça devient du harcèlement, mais parfois, les, petites, euh, les petits trucs banals comme ça, euh, ça fait un peu plaisir en fait, parce que tu vois que ton partenaire, euh, il se soucie de toi. <laughs> Wasu irin amsa zaki bani kishi yana nihin wani abu ne da ke hitowa cikin zuciyar mutum biskan abin da kake so gaskiya rabi kina da kishi ina da kishi kwarai ma ina da kishi kuma je lasim dai na ci to kishi kala nawa ne bon ni ina iya in ce kishi iya wanda ni na sani ina iya in yi misaltin su kamar kashi hudu haka akwai kishi wanda fisbilai kishi an ce kishi kumallon mata banza banza kawai kana son mutum ya kai har wani mataki kawai kashi kana kishin shi ba ka son wai ba soyayya ba wani ma ya bata shi ko da a ce mutum nan yana aikata abin nan walai kana jin ciwon shi akwai kishi kuma wanda kana son mutum har ta kai iya da wai ba wata mace ban ba ko hatta da yan su ya kannin shi kadai da suka hito ciki guda uwa guda uba guda wanda ka san da babu wani abu da zai iya shiga tsakaninsu da su kadai a baka kishi akwai kuma kishi na hauka wanda hatta kai ya zama obsession hatta da sai ka ga mace tana kishi hatta da uwan mutum da ta aihe shi kana kishinta kana bakin ciki in ya mata alheri wannan kishi vraiment sai a evite paske ba hauka ba ne ma jahilci ne da kuma kishi wanda shi na huɗu ya kai matakan inda mutum ya taima da imanin mutum gani kake bisa kan mutum kana iya kashe kowa ma sai kaga mata su asirce mazajen su saboda kishi dan ka amsu kishiya sai kaga mijin ga yana ya zama kaman wani mahaukaci wani sakar sakare gona ni gani nake babu so cikin shi tunda in kana son mutum baka kamnai ya zama ga yanan wani iri ba wani hotalwa hotalwa wannan ba kishi bane sakarci ne da hauka et eh, on passe à la question suivante donc pour vous quelles sont les raisons qui poussent une personne à devenir jalouse euh, Moi, je commencerai par dire le, manque d'attention. Ça, ça c'est un. Quand tu sens que ton partenaire n'est plus vraiment à fond, peut-être comme au début, c'est vrai qu'on dit que au début de la relation, c'est toujours beau, c'est rose, voilà, c'est nickel, ça, ça coule. <laughs> Mais après, euh, la tension diminue au fur et à mesure. Donc, euh, parfois, quand on t'écrit depuis le matin, on t'appelle et tout, parfois, euh, le nombre d'appels réduit, le nombre de messages aussi, ou bien tu réponds aussi tardivement. Ça devient suspect, en fait. <laughs> Donc, euh, il y a le manque d'attention, aussi le manque de communication. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça qui peuvent rendre l'autre jaloux. Je, je voudrais aussi ajouter deux petites choses. C'est vrai que depuis qu'on parle, on parle plutôt du couple, euh, voilà, non encore marié. Mais je me dis aussi, parfois, c'est un peu différent quand, quand c'est un couple marié, en fait quand tu remarques des nouvelles habitudes chez ton partenaire, chez ton mhm. mari ou chez ta femme dont euh, tu n'avais pas l'habitude. Par exemple, il rentre du boulot, il vient, il se lave, il se parfume, il s'habille bien, <laughs> il, le sent, il... le fait, <laughs> le fait plus d'une ou deux fois. Donc c'est quelque chose de vraiment suspect en fait. non, voilà, c'est louche, <laughs> voilà. Surtout moi, je parle de nouvelles habitudes en fait, ce dont il n'avait pas l'habitude de, faire, et qu'il commence à faire. Et puis surtout si ça a tendance à partir sur une longue durée en fait. Donc là, ça devient suspicieux. Et puis, euh, je, vais encore euh, parler de notre cas. La plupart, les hommes qui sont tellement jaloux, en réalité, ils sont les plus infidèles en fait. <laughs> voilà. Ça, c'est une affirmation. Voilà, c'est ça en fait. C'est une affirmation. Hein? Faut pas dire. Euh, je dis la plupart. Voilà. Voilà, je, je, voilà. Il y a des exceptions. Voilà, exactement. voilà. Je suis pour les exceptions, hein. Ah, bon <laughs> ah oui. <laughs> kafin mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin girls du studio kalangu avec la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. De la rose de ce samedi de l'espace santé et bien-être, nous parlerons du bienfait du bicarbonate des soude sur les mains et sur les pieds. Puis en beauté avec moi Fanta, nous découvrirons les gestes à éviter pour chouchouter nos cheveux. Et en cuisine avec moi Bibi, on va se rafraîchir avec quelques astuces de jus naturel. Top, mhm. c'est parti. Le bicarbonate de soude ne va pas arrêter de nous surprendre avec ses multiples bienfaits. Notre blogueuse beauté Juma déjà vous voyez aujourd'hui avec une astuce magique pour les mains et pour les pieds. On l'écoute. Cette astuce que je vais partager avec vous, c'est pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes de tâches au niveau des pieds ou des mains, ou dont les pieds et les mains sont plus sombres que le reste du corps. On rencontre ce phénomène surtout chez les personnes qui utilisent les produits éclaircissants. Donc, ce qu'il faut, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de Nescafé. Tu vas mélanger avec le jus d'un citron. Après avoir fait le mélange, tu vas remarquer que ça va commencer à mousser. C'est cette mixture que tu vas appliquer sur les pieds et les mains et tu vas frotter. C'est une astuce à faire régulièrement. Donc après la pédicure, tu passes la mixture, tu frottes. C'est une astuce qui va t'aider à réduire les tâches, ça va embellir les pieds et les mains et ça va les rendre éclatants. Ça nous échappe quoi, que le bicarbonate est aussi magique. Le bicarbonate et aussi les autres ingrédients. tu vois, ah, moi j'essaie dès demain. <laughs> Ou dès ce soir, carrément. Ah, ça c'est vraiment la reine de la beauté <laughs> de la <laughs> Alors, Fanta, t'as quoi pour nous Alors, avec moi aujourd'hui, Rabi, on va parler des cheveux, de comment les chouchouter et les protéger au quotidien. Pour ça, il est important de faire attention à certains gestes comme n'est pas protéger ses cheveux. Crépus ou défrisés, les cheveux ont besoin de protection et les coiffures protectrices peuvent aider. Elles permettent d'éviter les manipulations trop fréquentes des cheveux et maintiennent l'hydratation. Un chignon bien soigné ou encore des tresses peut faire la Ensuite, n'est pas s'occuper de ses cheveux et du cuir chevelu sous ses coiffures protectrices. Bien que faire des coiffures protectrices implique que nous manipulons moins nos cheveux, il est indispensable de prendre soin de nos cheveux et de notre cuir chevelu en lui apportant hydratation et nutrition. Dans la rubrique du dimanche, nous partageons avec vous quelques produits naturels que vous pouvez utiliser pour chouchouter vos cheveux. Il y a aussi le fait de faire des mauvaises coiffures. On mis les coiffures protectrices, nous avons aussi les destructrices qui fragilisent les cheveux crépus et les cassent. C'est le cas des coiffures trop serrées, des coiffures gardées trop longtemps ou encore les rajouts de mèches à répétition qui ont tendance à assécher les cheveux de fait de laver ses cheveux trop souvent. C'est curieux, je sais, mais il est conseillé d'espacer votre fréquence d'utilisation de shampoing à une à une fois tous les 10 jours pour ne pas les agresser avec certains produits chimiques contenus dans nos shampoings et le fait de négliger les soins. Les soins sont indispensables pour maintenir les cheveux forts et en bonne santé. Les bains d'huile et les masques profonds permettent d'hydrater, de nourrir et de fortifier nos cheveux. Merci Fanta, merci pour tes astuces. Mariam, toi, je suppose que t'as pas besoin de tout ça. Hein. Tes cheveux, sont juste dans le dos. <laughs> non, mais vraiment, tu as trop de chance. Ben, merci Fanta. Appelez. Euh. Voilà, maintenant, après avoir bien mangé, comme d'habitude dans la rubrique rose, dans celle-ci, on va s'occuper un peu du rafraîchissement, donc des jus naturels. Première astuce pour un bon jus de bissap. Déjà, j'ai découvert avec une collègue passionnée de cuisine, merci Rafika, que les feuilles de bissap écrasées et infusées donnent un meilleur goût. Et cette infusion permet aussi de garder toutes les vertus nutritives des feuilles de bissap. Ensuite, faire bouillir des pots d'ananas avec quelques clous de girofle pour ajouter à ces feuilles de bissap écrasées, c'est top. Juste après avoir éteint le feu, vous pourrez euh, également mettre un bouquet de menthe, de citronnelle ou des feuilles de basilic que vous allez laisser infuser au moins 10 minutes pour un jus bien parfumé. Enfin, quand ça sera la saison de la goyave, n'hésitez pas à ajouter de la purée de goyave dans votre bissap. Faites-moi confiance, c'est magique. Et je t'assure, Rabi, si tu essaies l'astuce dans le bissap avec les cristaux de menthe, tu vas adorer. Mais ah attention à la dose, juste un tout petit peu, ça sera frais et top, je te jure. Ok. <laughs> <laughs> Merci. En tout cas, celle de la goyave, c'est une spécialité sénégalaise et c'est incroyable comme c'est super bon la goyave dans le bissap. C'est tout pour aujourd'hui. Bon rafraîchissement à nos amis jeunes qui nous écoutent sur la rubrique rose. On se dit au revoir avec Te Felicito de Shakira, la chanson qui a fait polémique après sa rupture avec Gérard Piquet. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De solo Filosofía barata, no la compro. nous sommes de retour dans votre émission Tous à la Fada inda yau a filin studio Kalangu muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in namu wato la jalousie dans le couple kishi kenan a cikin zamantakewa. On va continuer avec nos questions. Fredo, dans un couple, qui de la femme ou de l'homme est le plus jaloux Bien sûr, c'est la femme. <laughs> C'est qui sont très Mais les filles, est-ce que vous êtes d'accord Tu n'as pas entendu Jerry <laughs> Bien sûr. C'est un rire ironique Non, non, non, non, bien sûr que c'est la femme. <laughs> Ah, mais c'est l'homme qui est le plus jaloux. Il dit que l'homme est né naturellement <laughs> infidèle, mais il est aussi né naturellement jaloux. Jaloux. Il y, a, y a une amie qui dit c'est parce que eh, honnêtement, je ne, je ne confirme pas. Hein. Elle dit que c'est parce que Dieu même sait que l'homme ne supporte pas la jalousie, qu'il ne leur a pas imposé la, eh, la polygamie. C'est à nous les femmes, on a imposé la polygamie. Je dis bien, je ne confirme pas, c'est ce que dit mon ami, j'ai mhm. répété. Donc selon moi, c'est les hommes. Toi, à ton avis, qui de l'homme ou de la femme est le plus jaloux dans une relation Comme l'a dit Nazifa, c'est l'homme, bien sûr. Hein. C'est l'homme le plus jaloux, mais c'est la femme qui a tendance à trop montrer qu'elle est jalouse, en fait. C'est juste la femme qui, qui, montre vraiment qu'elle est jalouse, elle, rentre dans tous ses états, mais en réalité, l'homme est plus jaloux. Hein. Elle s'exprime le plus, en fait. Voilà, voilà. Déjà, la femme, elle est très émotive, elle s'exprime facilement avec les émotions. L'homme tarde à montrer sa jalousie, mais quand ça vient. Euh, euh, bonjour, madame, vous venez venez de nous rejoindre dans notre fada d'aujourd'hui où notre sujet c'est la jalousie dans le couple. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Maria Moazir. Je suis une actrice comédienne. Yo, zancen kishi muke yi a cikin fadar tamu. Kishi aka ce tsakanin mace da namiji. Wanne wani kishi? Kishi dai mu mata muna ganin kamar mu ne ke da kishi mai maza sun yi mu kishi. um, Madame. kun fara zance ba ku kare ba ya kamata aiko muna bayani ku kwatanta mana me yasa kuka ce haka nan maza sun yi mu kishi saboda su ba sai sun hudo muna mu namu kamar hauka ce muke gwadi muna hudo mu ne kararra mu gwade shi amma in a tsaya zahirance ne maza sun yi mu kishi to yaya su suke nuna kishin nasu su kishin shi ne suke yi mu kuma <laughs> Altes bonjour et bienvenue dans notre fada Bonjour à vous comment allez-vous Il est slameur il est activiste sur les réseaux sociaux il est influenceur Altes on parle de jalousie aujourd'hui dans la fada dans un couple qui de l'homme ou de la femme est le plus jaloux il faut dire que euh, c'est généralement, je l'ai dit, c'est généralement l'homme qui est le plus jaloux. Il y a des raisons pour un homme d'être très jaloux dans un couple. <laughs> je, le, sais pourquoi l'homme est très jaloux. En tant qu'homme, je le sais <laughs> vous avez une question de justifier les raisons pour lesquelles un, Bien homme peut être très jaloux. Ah, oui. je, vais, je vais vous expliquer. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Et la jalousie d'un homme se justifie. Je parle du moment où il appartient à toi tu es d'abord le responsable de la famille. Il faut le dire, l'homme est le premier responsable de la famille. C'est généralement, je parle du cas général. Je sais qu'il y a des couples qui font exception, où il y a vraiment une gérance plus professionnelle du couple. Mais quand on prend le couple qu'on connaît dans nos, dans nos familles, c'est toi qui sors. De ton volonté, tu amènes une femme chez toi, qui loge sous ton toit. Tu vois, non qui mange sous ton toit, qui s'habille sous ton toit. Ou bien c'est pas ça. et si on est une personne, le cas où peut-être qu'il sous ton toit Toujours. Non, moi je me dis que les relations extra-conjugales, moi je me dis que tant qu'il n'y a pas d'aboutissement, j'ai vraiment pas le temps d'être jaloux dans une relation extra-conjugale. Mhm. Mais dans mon foyer, j'ai le droit d'être jaloux parce que ce que je dis, et eh, je sais et qu'il faut protéger son foyer en tant qu'homme. Je sais qu'il faut savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, qu'on l'accepte ou pas, moi, je le dis une chose. Hein. et chacun a le droit d'être jaloux et chacun a le droit de protéger son couple. Mais ce qu'on dit quand ça déborde, généralement quand ça déborde du côté de la femme, c'est plus excessif que quand ça déborde du côté de l'homme. Voilà, que comme tu dis que tu es jaloux, là, à elle aussi tu lui donnes le droit d'être jalouse. Eh, je lui donne le droit d'être jalouse du moment où ce que je me dis aujourd'hui, en tant que en tant qu'homme marié, ce que je dis, dans mon couple, ce que je dis, ma femme a ses heures qui lui sont spéciales, mon travail a ses heures qui lui sont spéciales. Et donc du coup, ce que je dis aujourd'hui, en tant qu'homme marié, j'ai juste le droit si je veux de me marier pour faire une seconde épouse, mais je n'ai pas le droit de faire de la débandade, je n'ai pas le droit d'exposer ma femme à des copines, je n'ai pas le droit, tu vois, non, de, de, si on peut de vexer l'orgueil de ma femme au quotidien avec tellement de copines ou bien avec tellement de femmes. Mais par exemple, pour un homme, par exemple, je te dire, la jalousie d'un homme, d'un homme marié, c'est justifié. Hein. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, quand un homme marié sort, il fait un enfant dehors, supposons, il part, il fait de la débandade. Moi, ce que j'ai dit, marié ou non marié, personne n'a le droit de faire de la débandade dehors. Mhm.

sai ga akwai wuya ya gama mata ɗaya biyu uku har hudu kuma duka matan ga a ce yana son su tsakani da Allah ita kuma mace in tana son namiji wallahi tana son shi dai ne ba ta iya gama shi da wani ko ba gaskiya ba ni ina iya cewa kishi na ni dai personal man ban ce wani ba kishi na ya hina namiji tunda ni ina son ka wallahi wani ma abba ne ya ɗauka nimero na in bashi bale har in yi ta da shi. Madan bari in komo a wajen ku, ku a ganin ku Eske ana iya kawo zancen so ba tare da an kawo zancen kishi ba? Ba ta yiwa. Mhm. Saboda duk abin da kake so dole ne ka kishi shi. Saboda in babu kishi cikin soyayya to wannan soyayya ba soyayya ba ce. tana iya watsa a koda yaushe duk abin da kake so dole ne ka sa kishi a cikin shi mhm. saboda ka ci unwanin shi tunda in baka da kishi a cikin abu hiya ku ba za ta yi kyawu ba duk shine wani biki to menene iyakar da bai kamata a take ba ko kuma a iyakar da bai kamata a taka ba ko kuma a wuce shine kamar kishin naki kakki yarda ya ketare iyaka saboda wani kishin muna yin shi ne kaman cikin ban san ko rishin tunani ne ko rishin eh, ilimi ne ko mine ne ban san madai ko mine ne ke sa wannan mata na yin shi saboda in kana kishin abu ba sai kawo doka gwaji karara ba kowa ya shaide ku kana kishin kana iya kishin ka cikin zuciyarka ka gwada ma mutum ke kana kishin me ba sai kowa ya shaide ku ba har ya kai inda za a yi wani hada wani buge-buge wani yanke-yanke duk wannan hauka ne duk abin da kake so baka zakwa ka ce kai hada akan shi kokari za ka yi abun nan ka mallake shi ya zama naka kai kadai shine wannan ke gwadin kenan kana kishin mutum kuma kana son abun nan ya zama naka mhm. amma an ka zo ka ce kai wani hauka wani hada wani mine shi wanda kake ma yana iya taya ta ya barka tunda ca zai wagga in na kai ta gidana matsala za a samu mhm. amma in kika yi abinki cikin siyasa da kwanciyar hankali ki nuna ma mutum cikin soyayya na akwai kishi dole ne ki same shi amma kika wuto kowa ya shaide ku kuna hauka bai yi mana rabi ba in kuma gare ki kamar me ake ta zafin kishi menene limit inda bai kamata mutum ya huce ba bon limit kin da mutum bai kamata ya huce ba ya kawo kamar bugayya tsakanin kamar masoya biyu hatta kai kuma ana kashe juna wasu suna ma juna asiri don kawai mutum ya tagayyara dan baka tare da shi. To yanzu ke a gare ki mutum ya nuna kishin shi ko kuma ya ɓoye shi wanne ya yi. Biskan abin da kake so wallahi kana kishin shi. Kuma kamar lefet ke a maka abu wanda kai ka san da an bata maka kuma ka ɓoye shi. Wannan ya zama kaman minahici tsakani da Allah kenan me in an bata maka ka san kuma yanda zaka yi ka kwatanta ma mutunan gaskiya ya bata maka abun da yayi baka ji daɗi ba me yasa yayi haka tana yiwa kai hankalinka ya baka wani abu can daban biskan abun da shi yayi tana yiwa ba gaskiya bane ka gane shi da wata mace tana yiwa ba ba duk shi bace kuma ba wani abu ke tsakanin su ba kwa sai kai interpretation shi biskan error kenan in ka ba bashi benefits da duk ya zo ya maka explique ka kwatanta mishi wallahi kai kaga act kaza bai maka daɗi ba kenan sai a evite tun nan ka sani in kai abu kaza wallahi wane yana jin ciwo ni ma na san in nayi abu kaza wallahi kana jin le le limita ne pas dépasser eh ka wuce gona da iri kamar yanda Hausawa suke cewa kwa kana iya ka kuma ka san ka dauki mataki da dubarun da ya kamata ka yi dans dans gyara de de gobe puisque ça ne sert à rien de te montrer jaloux et que tu fais des crises et des scènes et que la personne va te quitter et au finish tu vas regretter quoi tu vas tout perdre oh oui euh, Regina à ton avis est-ce qu'il est normal euh, de parler de jalousie dans une relation. Est-ce que c'est tout à fait normal Oui, je dirais que c'est tout à fait normal. C'est euh, carrément justifié en fait. Oui, mais quelles sont les limites alors à ne pas dépasser euh, la jalousie, quand c'est excessif, pour moi, dans mon cas, euh, directement, ça, diminue l'amour, en fait. Euh, quand ça devient presque du harcèlement, en fait. Quand on doit te contrôler, par exemple, H24, on, doit, tu dois faire un compte rendu, par, exemple, de ta journée, ce que tu fais, où tu es. Il y en a qui t'appellent à chaque fois pour savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es. Il y en a qui te suivent, comme je l'ai dit tantôt, ou bien ils envoient des, ici, ils ont des connaissances dans les parages, au, dans ton boulot il y en a, on leur fait des rapports chaque jour sur toi, ce que tu fais et qui tu vois. Non, là, c'est n'est pas de la jalousie, en fait, normale. Là, c'est excessif. Et là, ça, ça attend plus à, à croître vers une, euh, je sais pas, un manque de confiance. Hmm. Voilà, c'est comme si, en fait, finalement, tu n'as pas de confiance, tu n'as pas confiance à ta partenaire. Et quand il n'y a pas la confiance, moi, je me dis que le couple n'est pas, c'est plus apte, en fait. Et le couple, moi, je me dis, la première chose, c'est pas l'amour. En premier lieu, en fait, c'est le respect, comme je le dis. Ensuite, le respect. Et ensuite, la confiance. Quand il y a ces trois choses-là, je répète encore le respect, je me dis que l'amour, ça vient naturellement. Donc je vois Altesse mmh. oh, le <laughs> Altesse, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle a dit quand elle dit, euh, par exemple, une personne qui a besoin de savoir tout le temps dans quoi tu es Elle dit que c'est de la jalousie excessive. Et moi, je dis toujours que quand vous définissez une relation, il faut toujours définir le contexte de la mmh. relation. Il y a les relations, il y a les relations extra-conjugales et les relations qui sont conjugales. Moi, dans une relation extra-conjugale, dans cette génération Android, sincèrement parlant, je n'ai vraiment pas le temps d'être jaloux. Ça, c'est la première chose choses que je dis. Et la deuxième chose que je dis aussi, je ne cherche pas de quoi aussi qui me rendra jaloux. Je m'explique aujourd'hui. Aujourd'hui, ta copine, tu la contrôles H24. C'est quoi le but Toi, tu n'as pas de travail <laughs> tu n'as pas de toi, tu n'as pas de boulot à part. Euh, toi, ton titre, c'est Je suis le copain d'Internet. Ça dit ce que j'ai dit aujourd'hui il faut s'éviter les soucis. Moi, je considère les relations, les relations comme mécaniques. On est deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble. On s'apporte la paix, on s'apporte la tranquillité et on se pousse, on va loin. Quand il fait jour, je sors chercher de l'argent. Je n'ai pas à faire cri-cri-cri-cri. bébé, tu as fait quoi de ta journée Non, ça c'est pour la sixième et la cinquième. Je cherche de l'argent. Si tu veux de moi, je veux de toi. Je cherche de quoi concrétiser aller vers quelque chose de plus professionnel. Mais ma femme que j'ai épousée, elle, quand même, la matinée, si elle sort, je dois savoir où elle va. Et même ma femme, je n'ai vraiment pas à surveiller ma femme parce que je me dis que c'est à base de la confiance que je l'ai épousée, que je l'ai amenée chez moi. Je ne cherche pas des choses. La confiance fait partie de la base. Mais pourquoi vous voulez que je laisse tomber? C'est mon homme, moi je l'aime, laissez-moi tranquille pour moi, il fait mon bonheur. Je vous dis que je me sens bien près de lui. sauraron mu bar mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in namu na yau wato kishi a cikin zamantakewa la jalousie dans le couple et surtout comment gérer ses sentiments kamar yadda na faɗa mun ya da zango ne a nan cikin filin studio Kalangu inda muke nan ga tattaunawa tare da manyan bakin mu waɗanda suka halarci fadar mu sai mu ci gaba da tambayoyinmu. Madam bari in jiyo ga iske kuna da wasu dabaru don kan mutum ya fada a cikin eh, irin hadari-hadarin nan na mugun kishi dubara guda ci shine mu ɗauki haƙuri mu san da cewa yau maza ba a yi su don mutum guda ba an yi namiji ne don mutum hudu mhm. in kana iya in baka iya ma gudan ma ka wasa eh kai zaman ka haka na in <laughs> gudan ma in baka iya ka wasa amma mu sa cikin kanmu mu mata da cewa namiji an yi shi don mace hudu ne a ah, ka sa cikin kanka ne wai ka sa shi cikin kanka <laughs> gaskiya ayar ka kenan ba da ni nufanta <laughs> ba ka sa wannan cikin kanka saboda duk tsarin rayuwarka ka sa wannan cikin kanka ba a yi namiji saboda ke kadai ba saboda yau muna haihuwa iya suna tashi ya kike so ɗiyanki su kasance in mazan ba su da yawa kuma dukansu mata ke gare su sai kaka kenan kenan ana son mace ta dinga nazari kuma ta dinga sa haƙuri cikin ranta duk abin da zai faruwa gare ki ki yi haƙuri ki san da cewa lalle wannan abun ya kamata haka nan ne shi kishi lalle ana son mace da kishi tunda yau soyayya kike da mutum zama aure ne kike da shi in baki kishin abun abun bai yi ba babu ma tsari ne a ce mace kina zamanin da namiji baki kishin shi bai ma kamata ba ne dole ne ki kishin abin da kike so amma ana so kishin naki ki sa iyawa da kisa da kisisina da salo na tahiya na soyayya wanda zai sa cikin salon nan naki na soyayya shine zai sa ya gane da lalle wallahi kina kishin ka gudanar da komi a komi a tsanake a siyasance ba cikin hauka ba da tashin hankali kowa sai ya shaide ku ki zo ki ta wada ko da yaushe mutum ya zo ina kata ina kake kaza ka wannan duk ba rayuwa bace kai kanka in ka sa ma kanka tashin hankali ba za ka ci moriyar zama aurenka ka ba kullum in aka ganka a hirgici ake ganin ka kamar kaza da aka hido cikin ruwan zafi kuma ga ki barkala an aka ga gidan naki tsaf amma in kika hito cikin shi sai a ga ba haka nan bane menene duka kin doki tashin hankali da wani jaraba na kishi na bala'i kin sa cikin zuciya ki dole ne ki zama cikin irin wannan rayuwa mai mace ana son ta ki zama mai kisa da kisisina ki san yadda zaki tahiyar da namijin naki yadda shi da kanshi cikin wannan kisar taki zai san da lalle wallahi kina kishin shi kuma amma kishin ba sai kin hiddo shi kararra ba kowa ya shaide ku haɗiyanku su san da Avant donc de clôturer, nous allons accueillir Olivier et sa chronique du jour. Ce soir, comme je l'ai annoncé, on va se demander comment faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela doit être une priorité pour notre génération D'abord, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, c'est un espace ouvert à tout le monde, un grand marché, où on décide de faire ce qu'on veut, quand on le veut et comme on le veut. Mais malheureusement, les passions ont pris le dessus sur la raison, comme dans la vraie vie d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui nous doit nous amener un gain, on l'oublie facilement, mais ce qui doit nous distraire, ce qui doit nous éloigner du bon chemin, on s'y accroche. Le grand problème aujourd'hui, c'est que notre génération est beaucoup plus concentrée sur la distraction. Et donc, moi, ce soir, dans la chronique, j'aimerais rappeler à tout un chacun que sur les réseaux sociaux, plusieurs entreprises se sont créées. Plusieurs entreprises aujourd'hui qui font des fiertés ailleurs. Mais on se demande, mais pourquoi pas ici, chez nous? Quand on prend pays comme euh, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est aujourd'hui un peu le poumon de l'Afrique occidentale française sous influence française, où on dit que les francophones ne sont pas bien en business, la Côte d'Ivoire essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Et le Sénégal. Et le Sénégal, bien évidemment. Quand on prend le Sénégal que tu as bien évidemment cité dans le monde du cinéma avec les films, les productions de Marodi, aujourd'hui sur YouTube, qui est un réseau social aussi. Bah, ce 37 entreprises essaient de se faire de l'argent. Mais pourquoi nous, au Niger, on n'y arrive pas Quand on prend dans le domaine de la vente, le Niger, grand pays de commerçants, hein. aujourd'hui, sur Internet, on n'est pas représenté à travers une boutique en ligne. Mais quand on prend un pays comme le Nigeria, bien évidemment, il y a Jumia qui aujourd'hui assure la distribution des appareils électroménagers de différents produits. Et pourtant, nous, au Niger, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. justement, Olivier, est-ce que tu peux nous donner une petite astuce oui, des astuces, marcher ici. Hein. Des astuces, il y en a hmm. beaucoup, mais bien avant les astuces, il faut quand même rappeler qu'il y a déjà des initiatives qui marchent. Ok, il y en marchent aujourd'hui, euh, dans la région d'Agadez, une région que je connais un peu plus, eh ben, les artisans ont commencé en tout cas à mettre leurs produits à travers des applications mobiles que je vais taire le nom pour qu'on ne demande pas ce que je paie des frais de publicité, bien <laughs> évidemment, <laughs> bien évidemment, ces initiatives marchent. Ces initiatives marchent également à travers euh, certains jeunes qui osent, mais il faut quand même se dire que si t'en es un million sur les réseaux sociaux, si c'est seulement 1000 ou 2000 personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, franchement, ça ne vaut pas la peine. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et là, tu as demandé des astuces, justement. On est là pour ça. Par rapport aux astuces, ce qu'il faut faire, c'est juste de suivre certaines pages qui essayent de faire la chose la mieux partagée, c'est-à-dire qui essayent de gagner de l'argent. Un clin d'œil à une influenceuse, c'est ce que moi j'appelle une influenceuse, Titi Traoré, qui a commencé à travers sa page 227 Niger Widin, une page Facebook qui aujourd'hui est devenue une entreprise, un salon, une galerie, qui a ses portes à Niamey. Quand moi je vois ces gens d'initiative, je me dis que oui, c'est vrai que ça ne marche pas, mais il y a de l'espoir. Il y a des gens qui le font. Et ce que nous racontons, ce n'est pas des histoires, c'est des réalités. Donc nous encourageons, j'encourage chacun d'entre nous à se demander comment pourrais-je gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux pour que enfin on ne soit pas des produits des réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux soient pour nous des produits grâce auxquels on gagne de l'argent. D'ici là, portez-vous bien. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui c'était comment gérer le sentiment de jalousie dans le couple. Manyan kin da muka gayyato muku yau a cikin fadar tamu Sune Altest Altes Lamer, Rahina Gani, Nazifa, Madam Mariama et Fredo. Kamar yadda suka faɗa shi kishi da wuya a kawo zancen soyayya ba tare da an ɗauko zancen kishi ba hasali ma abu ne mai kyau wanda ke nuna lalle kana son abokin zaman ka. Amma fa kamar yadda Madam Mariama ta faɗa ba a cikin kowane nau'in kishi ba. Merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da za mu dawo muku da wannan shigon amma za ku ji wani irin nau'in na kishi kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu.